kan shirin tus ala fada muna fatan wannan shirin zai tada ku lahiya cikin iyalanku. Omicron Aminar ta kullum Rabia mai Kano. Bon, kun sani daman fot emission des jeunes et toujours aux zage da mu dukkan abin da ke faruwa cikin wannan kasar tamu da ke shafan matasa musamman ma to et c'est le ministre des enseignements supérieurs coordinateur des ministères en charge de l'éducation shi dans un point de presse le 11 mai passé pour rappel wannan le 20 mars passé tun da aka samu wanda yake dauke da wannan ciwon na covid-19 budewar makarantun makarantan su suka karbe ta kuma yaya ne shugabannin namu suke shirya ta ko in ce wani irin matakai ne suka dauka domin shi wannan domin ita wannan reprise kin ayi ta dai lahiya a kare ta lahiya bakin da muka gayyato a yau nan siyar shi na studio kalangu kwara kano za su ba mu amsa muna tare da muhammad abdu Umaru ile chargé des affaires culturelles de la section lycée et collège de la section ça va to muna tare da wani kuma arzika umaru shi kuma an sanya ne su arzika ina ah lafiya lau alhamdulillah la dama lafiya lau alhaji an a ruti laberi ça va alhamdulillah akwai moral to barkan ku da zuwa masakar shirin tus alafada kamar kakan kuka sani dai don zai zo mana da wannan sabon rubrikin to chaque semaine un artiste va faire passer un message de sensibilisation parce qu'on wannan annobar ta covid-19 de la musique et la rubrique de la fada juste pour vous amis de tus alafada zaman gida ya kare da abokan namu wanda wannan zaman bai musu ba da wanda ya musu dai wanda suka meke suna jira maka a koma zaman gida ya kare <laughs> in ji shugabannin ƙasarmu le premier juin prochain kowa lakwal zai tahi tout en respectant une batterie de mesures le ministre de l'enseignement primaire a rencontré le 14 mai dernier les syndicats du domaine éducatif dans le but d'échanger sur les conditions de la reprise des cours prévus le lundi 1er juin prochain. Pour le secrétaire chargé de l'information de l'unité syndicale des enseignants contractuels de base, USECOB, les obstacles sont nombreux à la bonne reprise de l'école. Abbas Jubo, au micro de Rukayatou Abdraman, on l'écoute. Déjà, vous savez, la majorité des enseignants sont rentrés chez eux. Le ministre a demandé à ce que chaque enseignant doit être à son poste avant le 25. Avec euh, l'isolement de la ville de Niamey, ce serait pratiquement impossible. Même si l'État envisage d'ouvrir les voies, c'est peut-être à partir du 1er juin. D'autres obstacles aussi sur le terrain. 45 jours, ce serait très difficile techniquement de boucler le programme. Donc euh, justement, c'est pour pallier à ce problème que le programme a été un peu modifié. Donc d'ici au CE2, et on va enseigner que euh, le français et la mathématique. Maintenant, pour le CM, encore, il y aura les autres disciplines. Il y a aussi les obstacles naturels. Du 1er juin au 15 juillet, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Dans les villages, il n'y a pas que les classes en période qui causent problème. C'est la présence de ces élèves même. Les parents n'accepteront pas à ce que ces enfants viennent à l'école alors que les travaux champêtres sont là. Personnellement, je suis enseignant, je suis employé. Mon employeur me demande de retourner je n'ai pas le choix, à moins que mon syndicat s'y oppose. Inch'Allah, le 1er ah. juin, mon akouma, Allah yarda mon yara avec euh, en respectant toutes les mesures euh, qui nous sont euh, édictées bien que sérieusement ou objectivement on va essayer mais ce n'est pas facile ce n'est pas facile zamu zo zamu ci gaba da shirin namu zamu ji ina ne où est-ce que ça coince to ina gare ka vous êtes euh, les premiers concernés comment tu ressens toi cette rentrée ya kake euh, donc euh, Mohamed mu da wajen au niveau de la sexuelle lycée collège wajen yan makarantu mu abin da muka ce gashi nan ba wai ba mu iya mu komawa bane me ya kamata les mesures de prévention da aka ce eh, mutane su ɗauka ya kamata à y respecter puisque mm, on suit depuis le début de cette parce que mu yau kun san da akwai matsala parce que ba mutane biyar ko mutane goma goma ne cikin kalasosi muna da sansan sankan sankan don in an ce le yan metre kuma kun ga dai harkar nan dai sai hankali sai dai allah ya kawo <laughs> barin dawo gare ku monsieur arzika muna so mu san ku kuma ya kuke ji wannan rantirikin to alhamdulillah da kuka kira mu don a tattauna bisa wannan dawowa 'yan makaranta da malamai makaranta a lalle daga harko abin yana ba da tsoro amma yanzu sai mu ce alhamdulillah saboda mm. daga harko ana iya za a ce an samu kamar mutum 100 kai tsaye rana guda sun kamu yanzu kuma kin ga ana cikin lokacin da za a iya a samu mutum biyu uku yanzu an mm. ma samu kwana biyu a ya ma ba a samu ko mutum ɗaya wanda ya kamu ba ah. kamar yadda wannan abin yake ina ganin lalle malamai da 'yan makaranta suna iya su koma makaranta mm. in aka dibi yadda gwamnati ya ɗauki mataki na kiyaye wannan yaɗuwar ciyon mm-hmm. kuma hallau banda gwamnati ya ɗauki mataki kuma al'umma sun yi biyayya ga gwamnati saboda in ba da biyayya ba da abin ba zai zo haka ba da sai ya wuce abin da ake tsammani don haka ina ganin yana da kyau makaranta ta ɗauki 'yan makaranta amma mm-hmm, mm-hmm. sai an koma an yi taka tsantsan bisa matakai na kiyaye wannan yaɗuwa ciwon mm. kamar irin wannan abubuwan da aka ce za a sa wannan ka wasa da su ba kamar wani sa takunkumin nan da ake cewa da kuma wanke hannaye da irin wannan kamar misalin meta ɗaya da ake sa tsakanin 'yan makaranta mm-hmm. to wannan gaskiya ina ganin abu ne wanda zai bada wahala amma da yake in gwamnati ce zai yi to zai iya mm. muna sa tsammanin zai yi ko za a kawo wa'ansu runhuna ne wanda za su kama a samu a rage yawan 'yan makaranta cikin aji koya wannan shine yanzu abin da muke son mu ji kamar ta wajen gwamnati amma idan koma makaranta ana iya koma makaranta ga hmm. yadda yanayin ta yaduwar ciwon take to yanzu da a lokacin muke muna wannan shirin namu shi dai rufin mai juin ki dan quelques ne ko a ce ma eh, nan da yan kwana biyu zuwa uku amma ni inda nike da kamar nike da wani dan tunani yawan makarantu yawan 'yan makaranta a aji ba ba biyu ba yawan 'yan makaranta a aji kamar 'yan makaranta a cikin klas za a samu kamar wajen misalin mutum 80 klas guda to yanzu mutum 80 klas guda ya ne za a muhammadu alhaji <laughs> ya kuka ga wannan haraka mutum 80 a klas guda ya ne za ku yi kujeransu to arzika abokina ya yi magana il a vraiment dit quelque chose <laughs> sur lequel je, je, voudrais un peu revenir. Ok. Tandani, ben yardama de Shiva, sincèrement. Et pourquoi? Hmm. Gomnati koma la kolkina. En réalité, ni aganina, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Mieux ça, ce n'est pas opportun parce que jusque là, akwai matsala. In ka de yaranmu, ça fait deux mois à et l'école. Exactement deux mois. Hmm. Ils ne se sont pas revus. Le premier jour de la rentrée, ils vont vouloir s'embrasser. Et si jamais il y a un cas, on ne le souhaite pas, ça va être un problème. On est affilié à des syndicats. Si nos syndicats, nous devons de reprendre comme madame. Mais franchement, carré, ça sera... carré, d'aucun les mesures, ça va être difficile. Mieux ça les surveillants les les censeurs les proviseurs ils sont toujours derrière les enfants pour les obliger à porter la tenue de l'école qu'elles ont dans le sac et qu'ils doivent, du moins porter n'est-ce pas pour <laughs> être élèves. même, porter ça c'est un problème à plus forte raison à Kamusu masque masque ake a koma dai lakol Allah ba mu lahiya Allah kiyaye Allah sa mun cikan cutar to yanzu Muhammad kai dai ka ji wannan mushan naka na yanzu ina gane aka baka wannan takunkumin kana iya ini da shi kai ga muna to eh muna iya ini da shi tunda ah. gai gaskiya ha eh, eh, gaskiya ne amma yanzu mu shi gana kusa na zancan wani proximity wani me tu sais tu es le seul élève ici donc on va t'exploiter en tant qu'élève aussi <laughs> voilà babu récréation déjà ce ko récréation babu ko akwai mm, babu récréation ya ne zaku ah on va se préparer. <laughs> muna, muna, hein? On va manger, on va bien manger et puis. Euh, bien manger où À Gira, à Gira, à Oui. Wow. Eh, <laughs> Encore à maternelle Donc par rapport à aux rencontres, c'est vrai, on a fait deux mois, on s'est pas vu, mais les mesures de prévention euh, je pense que nous, étant des scolaires, on est aussi conscients de cette maladie. Pas vraiment essayer de sensibiliser les militants. On a commencé sur les réseaux sociaux, et euh, dans nos groupes sur WhatsApp, tout ça. Et nous aussi, on a mis des points au préalable. Tant que ces points ne seront pas résolus, vraiment, nous n'allons pas euh, retourner à l'école si même si l'État dit de retourner, nous en vraiment... quelques jours, qui... Eh, effectivement, to. effectivement, nous avons vraiment des préalables. wata. Il y a des ƙara kuma wajen ka zan mu ba don Didama, je shi kuma ya zo mana da rubrikin shi hallo on se reprend juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19 l'artiste s'exprime. Tous à la fada, nous nous retrouvons encore une fois de plus, ladies and gentlemen. Face à la pandémie du coronavirus, ben, c'est non-stop. Nous sommes des loups contre le coronavirus. Alors, sur cette rubrique, vous savez déjà que les artistes sont engagés pour lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus un artiste nigérien. Mais cet artiste a commencé d'abord par le rap. Ensuite, nous, on l'a connu euh, avec la chanson Talouale Wale. Après, il a aussi chanté dara dar nya chapat nya kosai kamba nya dara iriya sidu gani ba no nya ngo ba ni nya mai ba ni dara dar nya chapat nya kosai kamba nya dara iriya sidu gani ba no nya ngo ba ni nya mai ba ni Vous avez certainement compris amis auditeurs auditrices euh, vous qui êtes en train de kiffer cette émission un peu partout à travers nos 41 radios partenaires hein, il s'agit de Yakbi eh bien, Yakbi, il n'est pas seul, c'est toujours euh, Yana, c'est Yakbi, Nana Ubanya. Oui, le groupe Yana. Et Nana Kassa. Nana tana gida. Tana gida. Tana mina abinci. Shi ke <laughs> na magana kai. To Yakbi, barin tambayar wani abu. Bayan waka na da kun kai, est-ce que ku yi wasu abubuwa dans le cadre de la lutte contre le COVID-19? Bon, abubuwan da mun kai eh, bankin wakan, eh, set muna eh, bisa bisa bisa internet bisa whatsapp bisa eh, eh bisa rezo sosiyo mm. muna ji hankalin mutane da san da ciwon nan ba karya ba ne mm. bankin shi kuma allah ya sa gashi eh, hotanni hota biyu komi ya har zuwa daidai mhm. hamma an buɗe abin ga eh, an yi da kofine eh, garin ya mai mhm. kufurfi an ɗauke shi mhm. don mun ƙara wani waka wannan ba mu da yawa mun kai shi ba mu uku mun kai shi ni da nana da idi sarki don mu ji hankalin mutane da ba saboda an ka ba saboda an yi eh, an ce mu taimu yi abubuwa an ce an hudu an ce an hudu ko rufe mu taimu yi harkokin mu za mu ah, ke a shi kenan mm. kiwo ya ida mm. non non kiwo yana nan tare da mu ya kamata mu kula mu aiki da matakai da an kasa shi kawai ne shi kadai ne ke eh, kare mu da wanga kiwo far kiwo ne da har yanzu ba a samu mishi allura ba ina so ka bani wasikar naka parce que mun san dai yan alakol za su harawa semaine prochaine mhm. to zan can nan ya ne nasu wani irin wasika ne kana da kana kawo musu biskan gani bon wasika ne ke gare ni biskan harka eh, tashin lokal eh, c'est très simple parce que ko gwamnatin da kan shi ma ya samu takai in za a je ecole ya kamata kowa ya sa fita in shi mhm. in za a shiga cikin ecole ko cikin class kowa ya wanke hannun shi yake na zuwa na ecole shi da sauki ma farce ba dole ne sai an ke mutum biyu uku ya zo ya hau bisa kan banki guda mhm. ana yake to kowa da banki in shi mhm. don in dai an haka nan kiwon bai samu dama ya yi ya cikin mutane farce Allah da ikon shi yasa yanzu kiwo yake nan ta shi Allah ya sa kuma ake wanga lokacin shine karshen kiwon covid-19 ya ta damu na hankali kin duniya duk. eh ba zan bar ka ba ka malam yakbi ya kamata kamin wani abu kamin mana. su ba almari hando kan ga kai ina ana imaki iwanya nga isi ma kyara kyabe hey. ima fai zanka ka ina yi jandiyan hey. zanka si hindu rasin gusu nana intai banda kagate nana hingi mafunda kabongo ramabo corona virus toro kimnofa kimi warma hagoy kimnofa C'était donc Mr. Yakmi sur ta rubrique artiste engagé contre le coronavirus. Sur ce, machine, toolkit. Ainyaizai, alborai da waiborai, kamba kambanyun gangwa ne bin tay Respectons les gestes de barrière. Nkunne yaji, shira. Hey. Bof. retourne à la fin de nous qui a... avons tare da wa'annan da ɗalibin wannan nasu wanda muke nan tare da shi Mohamed Abdou Umaru il est chargé des affaires culturelles de la section régionale lycée et collège de Niamey. Monsieur Arzika Omarou, il est enseignant au CES Kwarakano. Monsieur Mahamadou Elhaj, il est également enseignant au CES Route Tilabiri. Voilà, mon nom est Hirtar Anna, siège qui studio Kalangu. Car comment tu as un chernam qu'on a ba mu ku bisa kan shi a bisa kan lamun ta da hudu cikin matakan da ya kamata a ɗauka akwai wani mataki wanda ya shafi tsafta wani wanke hannu wani sa takunkumi wani kuma matakin hallo shi kuma ya shafi abin da ake ce ma distanciation social da wani rashin taruwa irin wannan to ku gaya mani an dawo gare ku monsieur mahmadu alhaji a cikin waɗannan duka mai zurkin kudu ka san waɗannan yara na menene kuka gani zai dar mai musu kamar ba a iya yi ba où ça peut coincer Vous les connaissez, vos, vos élèves euh, okay, Où ça peut merci. coincer mm -hmm. euh, Ces mesures, on peut essayer de les respecter. On peut essayer, je dis. Okay. Et c'est ce qu'on va faire. Kimahida Yara, franchement, ni moucheni. Tout le 18 serbona de Soran Abokanina. Sakan de Allah yau na koma lakol ban ya ganin kay sa ah kuma ah, à c'est possible mais comment zai wuya eh, Ok. balle yara dibat 6e classe guda ka 92 élèves quand ce 6e collège au collège de lycée Zamiha, on va, on va continuer à sensibiliser. Il y a des gens ils sont en train de le faire, hmm. ils vont le faire, on va essayer. Mais moi, je suis vraiment sceptique quant au respect strict de ces de ces mesures-là. Pas, même pas chez euh, les élèves, hein, mais au moment, scandale. Par exemple, il est extrapolé. Quand on a la condition ou l'une des conditions, c'est quoi C'est le respect de la distanciation sociale. J'ai parcouru Talagi, au nom de Dieu, de Talagi Zoa <laughs> bah, c'était la Renaissance, une des Le premier jour, de j'ai trouvé une seule mosquée. Oh, bah, inda respect, on a fait semblant de respecter. Toutes les autres mosquées ont fonctionné normalement. Donc, vous voyez, vraiment akoy aiki on va essayer kawai va ta Allah kiyaye Allah kwana de nan mu shi lahiya wala eh, su ya dema ta on mana <laughs> wani abu kuma hallo <laughs> can <laughs> to ya kai kuma jours ai ai a programme il ya kake jin wannan avant. Eh, on peut compter sur toi pour être vraiment, Kai déjà personnellement, te concentrer et puis on va vite, finir avec cette année ou <laughs> comment Bon, vraiment, eh, il faut dire que, il faut se dire vraiment que, eh, c'est-à-dire, 45 euh, jours, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu parce que avant même que l'État décide d'arrêter les cours, on n'a même pas 40% du programme. Hein. Un élève de, la terminale qui a euh, la philosophie et qui n'a pas fini, qui a histoire géo, qui jusqu'à présent, il y a là où il y a des écoles qui n'ont même pas fini euh, le premier chapitre qui est la Seconde Guerre mondiale. il faut vous dire que vraiment, euh, même si, par exemple, moi j'arrive à avoir mon bac, il faut se dire que je n'ai pas le niveau d'aller à l'université parce que je n'ai pas tout vu. En 45 jours, on ne peut pas tout finir, franchement. Et dans les 45 jours, vous allez 5 ou 6 dimanches. ça va être 30 et quelques jours. Oui, parce que y les dimanches, on ne ah part pas à l'école. <laughs> ça va être 30 et quelques jours. Les adhérents sont là. Tant que certaines de leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils vont, ils vont, ils vont parler. Ils vont sortir et dire Niet. Nous, on est là. Nos différents syndicats sont là. Tant que certaines promesses ne sont pas respectés ou ne sont pas tenus, on va essayer de débrayer. Donc moi, ma crainte, c'est quoi <laughs> C'est les 45 jours-là. Ils tsoron a ce da kat kwana 20. To, da kat mai en train Matsala tana da yawa. <laughs> Kun ji abin da Mr. Mahmud ya ce su dai sun koma, amma dai wannan koma ana nan ga yanta dai su dai ils sont pas trop optimistes. Voilà. Lui dai, personnellement, il n'est pas optimiste. Donc, tu vois, ça commence déjà à chauffer. Laisse, j'arrive, je reviens. Maintenant <laughs> là, hein? <laughs> avec euh, au paradis de Ismoan. Elle brisera le lien qui lie mon cœur au tien. Je te garderai au fond de mon cœur à jamais. Au paradis, tu te retrouves. Au paradis, tu te retrouveras. Chérie, Inch'Allah. je ne manque que toi. Ça fait des années que tu n'es plus là, je ne pense qu'à toi. Je te voir, te prendre dans mes bras. Te dire que je t'aime au moins pour une dernière fois. Je te voir, te raconter mon histoire. C'est que je suis devenu après ton départ. Je te voir, ressentir tes caresses. Prendre des conseils si possible, payer ma dette. Je t'expédie ces quelques lignes, juste te dire que tu me manques te remercier d'avoir protégé mon enfance et te demander pardon pour mes crises d'adolescence. Dites-moi, à quoi ressembleraient les ciels sans les étoiles Pourquoi autour de moi, les roses n'ont plus de pétales Pourquoi je manque le nécessaire dans ma vie normale Sache que je manque ta voix avec ses effets magiques Lorsque je ferme les yeux, j'aperçois ton beau visage avec ce cicatrice technique et ton sourire innocent qui aujourd'hui me laisse un vide. Pardonne-moi si ma chanson te dérange. C'est juste que tu me manques et dans ma tête ça se mélange. Sache que. Sache que. Rien ne brisera. retour à la fara de muke nan muna hira bisa kan wannan bude makarantar da za a yi le 1er juin muna nan mushushika mu muna tare da monsieur Mohamedou Alhaji il est enseignant au CES route Tilaberi nous sommes avec euh, monsieur Artika Omarou il est enseignant au CES Kwarakano et, et notre cher euh, camarade Yadema Mohamed Abdou Oumarou comme chaque baron namu à chaque fois on a une chronique qui nous accompagne du coup on va recevoir Olivier. Ça va, Olivier C'est comment Ça va, Dieu merci. Et tu es venu avec quoi aujourd'hui bah, Est-ce qu'on peut dire non au coronavirus C'est la question que je me pose ce soir. Non au coronavirus Mais bien sûr, on n'a pas arrêté de dire non, mais bon, cette maladie persiste. D'accord. Si je te demande aujourd'hui que tu peux te retrouver dans une situation dans laquelle tu dis merci au coronavirus. Euh, non, je vois pas. je vois, vois, pas. la situation. <laughs> Bonsoir à tous, amis de tous à la J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut dire merci au coronavirus C'est la question à laquelle j'ai cherché des réponses. C'est vrai qu'on parle souvent des dommages collatéraux de la COVID-19, mais le, le moins qu'on puisse dire, c'est que le COVID-19 n'a pas tué les bonnes initiatives. Ce soir, dans la chronique, nous allons parler des quelques points positifs du COVID-19. Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. OK. Alors, je vous je vous propose alors euh, un petit voyage. D'abord, nous allons aller au Cap, en Afrique du Sud, en France ou encore au Niger. La COVID-19 a laissé aussi des traces positives. D'abord, en Afrique du Sud, par exemple, des gangs qui auparavant étaient ennemis jurés se sont alliés pour sensibiliser contre le coronavirus. Dans ces gangs-là, la violence a laissé place à l'entraide et la solidarité. Dans le cas de la banlieue de Manberg, dans un reportage que j'ai Chopée sur la chaîne de télévision France 24 une habitante qui a initié un projet communautaire témoigne. Elle dit ceci. Certains gangsters pensent qu'ils ne peuvent pas travailler dans telle ou telle zone. Alors, avec cette pandémie, on les sollicite en leur demandant de se mélanger. Tu as vu, non, la guerre a quitté et là, c'est la paix qui revient juste pour sensibiliser contre les effets. Je vois. Ça va, ça va. Ensuite, en France, des prisonniers D'ailleurs, ici au Niger, des prisonniers ont été libérés. Ces hommes et femmes privés de leurs droits ont retrouvé leurs familles et proches. Et bien évidemment, ils sont en joie. J'ai retrouvé un témoignage dans un reportage de, la chaîne web Brut. On écoute quelques prisonniers libérés. T'étais où il y a quelques mois là J'étais en prison. Comment t'es sorti de prison À cause du corona, grâce au corona. En prison, il y avait trop de gens qui l'attrapaient. Moi, je l'avais pas, bim, ils m'ont laissé sortir. Je j'étais content. Vive le corona hein. Et aussi, au Niger, avec la COVID-19, le lavage des mains est devenu une obligation. Et bien d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont installé des kits de lavage de mains. Au vu de ces différents points essentiels que je viens de citer, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec la COVID-19, il y a aussi des points positifs. On n'oublie pas de se protéger, Ravi, et surtout, ne parlons plus de distanciation sociale, parce que c'est négatif, parlons plutôt de la distanciation physique. On reste toujours ensemble. Merci Olivier. Merci, pour euh, ta jolie chronique. tu as jeté des fleurs à Madame Covid, hein <laughs> Ok Olivier. Donc on va revenir avec nos invités de la FADA. notre dernière question. Wa'annan matasan me kuke euh, de la section lycée au collège tes camarades collégiens, lycéens, quel message tu vas leur passer École d'ail, c'est en coma. <laughs> ben voilà. Donc, euh, vraiment, en somme, c'est leur dire vraiment de respecter les mesures de barrière, c'est-à-dire de porter, de chercher des masques, malgré que l'État va offrir des, des, masques, mais que chacun se débrouille de la maison, d'amener son masque, de chercher les gels et ça même si c'est à 600 francs, c'est-à-dire il faut que tout un chacun fasse un dépassement de soi pour pouvoir retourner à l'école parce que c'est une obligation, c'est une imposition eh, qu'on est en train de nous faire. Il va falloir assez qu'on, il va falloir assez qu'on puisse résister à cette imposition et qu'un jour ça va Et aussi, c'est de rappeler à nos parents, et c'est-à-dire nos parents n'ont qu'à vraiment vraiment, c'est-à-dire euh, guider leurs enfants. Si tu viens à l'école, il faut pas saluer quelqu'un. Il faut vraiment, les parents doivent, les parents à vraiment jouer, ont un rôle à jouer, c'est-à-dire dans cette situation. il faut vraiment tirer les oreilles de ton fils pour ne pas qu'il sorte, il part le matin à l'école, il revient à 13h avec coronavirus pour te <laughs> vraiment. <laughs> <laughs> je wa'annan ɗiyan da ya yi a ja basa kan wannan ciwon da yake nan tunda ciwon bai tafi ba ko da yake ya kamata a ce sun koma ekwal wannan ciwon akwai shi bai tafi ba to yanzu in dawo gare ku mai arzika me za ku ce ma wa'annan ƴan makarantar da hada abokan na kuma mu eh to kamar dai kira ne zuwa ga ƴan makaranta da malaman makaranta kamar abin da ake so ga malaman makaranta da ƴan makaranta wannan mezir preventive da ake cewa su ne kamata kowa ya yi taka tsantsan ya yi aiki da su tunda yau in muna cikin wanga lokaci don mutane sun yarda da cewa akwai ciyon amma in kowa ya kiyaye ciyon ba zai yadu ba to kiyaye wata mutane ita ta kai mu ga wannan lokaci an ka ci a komo kenan dole ne 'yan makaranta da malamai sai sun kiyaye kiran da muke kowa ya kiyaye a ci gaba da aiki da wannan bavet wanda ake ce mata kunkumin nan mm-hmm. da kuma wanke hannu a kowane sa'a in an samu lokaci kamar na wanke hannu sannan a kiyaye gama jiki da 'yan uwa kamar ba da hannu ko kuma a matse wuri da sauran jama'a an mm. dai an kiyaye wannan to insha Allah ba za a kamu da wannan ciwo to kun shi dai mai arzika yanzu bar mu dawo gare ku Monsieur Mahamadou, Euh, Maganar ta ƙarshe. Jan hankali na yana waje kaman a trois niveaux. Le premier niveau ga mahukumta. Sun ce za a koma Anji ana koma. Amma akwai hakki da ya kamata su ma su yi, eh, eh, par exemple, respecter na et eh, les enseignants et les élèves. Pour que les 45 jours-là nous servent vraiment, il faut que l'État mette enseignants et élèves dans des bonnes conditions, franchement. Déjà, il y a un, décalage entre les enseignants même, où certains sont aujourd'hui, Arzika, il est payé. Moi, je dois attendre le 10 ou le 15 pour être payé. Pourtant, on est tous des enseignants. Vous voyez Les élèves attendent encore, je crois, il y a des les allocations. Donc, pour faire une bonne rentrée, il faut satisfaire à ces besoins-là. Donc, ça, c'est euh, l'État. Maintenant, au niveau des enseignants, nous, enseignants, on doit continuer à encadrer les élèves en classe et en dehors de la classe, surtout en dehors, parce que dans la classe, on peut... On est, on est là pour une heure, on peut essayer mm, de mm. jongler. Mais en dehors de la classe, c'est là où le danger pourrait advenir. Donc là aussi, on doit avoir un œil euh, euh, vigilant sur le comportement et les mouvements des élèves. Maintenant, au niveau des élèves, les ADMA sûrement vont comme d'habitude, toutes les écoles. Ils vont aller sensibiliser euh, leurs, camarades. Et je crois que quand on fait ça, donc à la jonction de tout ça là, peut faire en sorte qu'on tire euh, quelque chose de constructif. tire quelque chose quand même en, 45 jours. 45 euh, jours. OK. Merci bien à nos chers invités c'est la fin de cette émission de Tous à la Fada du samedi. kamar anda wa'annan wanda muka gaita suka ce ita dai wannan koma ana yin ta amma su ma akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta gyara don a samu a koma wannan lankwalkin lahiya a yi karatun wannan lahiya kuma a ƙara shi lahiya kowa ya koma gidajen shi ba tare da ba an ji wani kakin covid wani ya karu ko wani abu gobe sai kun haɗu da abokin aiki na don shi kuma zai yi hira tare da wa'annan wanda muka gayyata musa kan reprise kin wannan da ku dans le contexte covid-19 enjeu comportement à adopter et perspective sai mun kara a huta lahiya <laughs>